La un budget équipe bi dañ des fois collègue planifier ndax planifier yu budget budget ben champ d'action sax mais euh, li muy planifier mooy important importance du secteur de la culture parce que su nit ñi li nit ñi di di émotion di ci activités yi ñuy def dina am yu bari ñu def tout secteur confondu du am résultat mm-hmm. et donc tout ça ça donne de la valeur en fait à la coopération de voir que le secteur culturel est un secteur très important Nous avons biñ ci commencé à 2018 Nous avons commencé approcher ce secteur là à travers le programme réussir d'abord Nous xamné dañu ñëwone pour euh, voir qu'est-ce qu'on fait au niveau de la mode du design parce que pourquoi on voulait accompagner ce, ce, ce, ce secteur si programme réussite au Sénégal moi dañu xol né loolu moy suñu savoir-faire loolu moy génne suñu culture loolu moy génne suñu nature suñu xolé dañu ñooy def dañu xam ne loolu dafa am njëriñ c'est-à-dire foo bokk lan nga am lan nga xam té loolu soo koy jaay di koy wane day jox valeur sa jeunesse day jox sa jeunesse exemple ñu xamné ah ñoom kat am nañ lo xamné si loolu rek mën nañ ci sukkandiku def leneen donc moo tax dañ ko bolé woon ak benn champ d'action sur le travail sur la communication sur le changement euh, de mentalité sur le changement social pour des "ben shift pour voir que à Sénégal quand localité et c'est là a commencé le projet global on a vu beaucoup d'activités mais qui sont plus vers la structuration donc c'est euh, la plupart du travail que l'on fait avec euh, ce ASTU programme global on agit sur la structuration du secteur 5 maa de partenaires, ñu naan partenaire procédure partenaires la dañuy il y a beaucoup de dossiers de documentation ni la mais nous, GIZ normalement mooy nos euh, missions. mission ñun agence une agence boo xam mandatée par le ministère fédéral de la coopération allemande euh, bi ñu des BMZ agence bi daf ñu euh, mandaté pour ñu nekk à côté de l'état sénégalais ndax ñun lépp lu ñuy def état mooy suñu kilifa donc ñu nekk si wetu suñu kilifa yi suñu kilifa yi muy état sénégalais di dem si sen politique di dugg di xol nan la def pour kat lu ñoom liggéey bi ñuy liggéey ñu ak ci am résultat te su jàllee leneen mooy ñëw donc ñun suñu objectif mooy nan ngay def ba su ëllëg suñu demee ñu ne ah GIZ defoon nañ fi di tey euh, def naa léegi euh, yenn ko doon wax demal lañ seen bopp soxlaatuñu tey wala yeneen partenaires ñoo intéressé wu dootul GIZ rek donc loolu mooy suñu liggéey ñu ciy xeex di xeex aussi au niveau du euh, du projet global nous astro chaque jour nous félicitons au niveau du projet global projet bi euh, projet pour l'Afrique Afrique du Sud en Kenya dans les pays euh, du Moyen-Orient te soo Sénégal en général au niveau de nos réunions de coordination nous avons plus de facilité à mettre en œuvre des projets Donc aussi c'est l'équilibre du Sénégal déjà géopolitique qui le fait Nous avons amuñu difficultés c'est les partenaires qui proposent une action action c'est actions c'est durable et nous, ngi nekk di xeex xamuñu nag luy xew parce que projet projet global avec peu de moyens et tout doon nous savons savons nous le chaque jour ak suñu nous savons aussi Sénégal euh, coopération allemande dina fi avec ak projet dans l'art et dans la culture parce qu'il y a du potentiel dedans. La communication digitale aujourd'hui, c'est un outil euh, dont tous les secteurs du, de la culture euh, ont besoin. Donc, si loolu ma si euh, félicité à remercier d'abord la Lyon parce que voilà je sais qu'elle est allée avec euh, euh, toute la coalition de la CAM Daniel sama sama kal <laughs> tout le monde super peps aussi nous avons. donc vraiment je suis ci cohésion bi am ci sous secteur. yi dajaloo xam lan intérêt commun nous avons décidé renforcer capacité capacités au ci Mais la question que vous posé poser, poser, euh, ñu ñi nous j'ai vu que ce sont des professionnels déjà aguerris et que les leen pousse tout une attaque, comme euh, quelqu'un l'a dit tout à l'heure donc euh, pour le ñu Comptable, peut-être retourner, peut-être voir ci renforcer un peu son partenaire j'ai GIZ le mu wax sànq mu nekk lu am solo peut-être que des fois le partenaire il peut-être nous faut que lay am ak mais parce qu'en réalité que euh, bu souverain mon moy def politique ne kat donc di partenaire donc di def ay activités artistes non seulement ils sont en phase avec l'État mais nous ñuy état ñu yi nga euh, secteur bi promoteur c'est un grand bon, parce que d'abord je sais que vous xaalis ici, lui, c'est vraiment un engagement qu'elle a Nous, on la connaît assez euh, engagement bon, beaucoup de secteurs, bëgg secteur bi euh, di ci dox suba donc euh, peut-être man loolu am si et puis aussi de remercier vraiment très chaleureusement la GIZ parce que je damay participer ci activités même su fekkul ne activité yëpp la tamit mais damay génn lu bëri et tout et su ma déggee benn ñaar ñett ah damay les accompagner euh, sous-secteur initiative donc pour ça nous on vous remercie et tout à l'heure euh, on a répondu à l'appel de de voilà et je pense que pour mieux euh, structurer aussi discuter il y a tamit euh, secteur prioritaire parce que je sais qu'ils nous en ont besoin nous aussi on a besoin de savoir exactement nous euh, lu ñuy def secteur et nous devons capitaliser parce que nous am solo donc euh, nous euh, wax wax sama xarit portugais parce que ma <laughs> vraiment cohésion bi nous en tout cas le ministère je vais dire on y trouve tout notre intérêt et je pense que comme il l'a dit de plus en plus les relations sont beaucoup plus huilées les acteurs savent que le ministère de la Culture n'est que la tutelle d'un partenaire de plus. Parce que euh, la raison d'être du ministère de la Culture, justement, c'est d'essayer euh, de faire de ce secteur-là un secteur porteur, comme nous, on l'a mis dans notre politique, dans, notre, dans nos politiques actuellement, c'est ce qu'on dit. La, culture doit être un secteur qui apporte de la richesse. Je vois qu'avec ce genre de formation-là, voilà, c'est quelque chose qui va nous permettre de, de pouvoir non seulement quantifier ce que nous faisons, mais aussi de rentabiliser le travail que nous faisons. Nous avons l'immense plaisir de recevoir euh, une personnalité assez importante pour nous. Je suis en train de, pour l'information en même temps de mon professeur, je suis en train de lancer une formation des formatrices au niveau de l'École nationale des arts pour la première école africaine dédiée à la formation de musique, instruments de musique. Je pense que c'est une innovation et c'est ça qui me revient tout le temps en tête. Et, et aujourd'hui, si on a réussi à avoir des outils, à parler de communication digitale et à être un peu dans l'actualité du moment et de dématérialiser toutes nos activités que nous faisons dans le domaine professionnel, quelque part, c'est grâce à lui. Nous avons eu à partager durant cinq jours un atelier de partage qui était vraiment très, très, très, très riche. Si aujourd'hui, à chaque fois qu'on sort un outil, qu'on parle de référencement, qu'on parle de, de, métadonnées et qu'on parle de, de Facebook, Meta Facebook Business, qu'on parle également de IF3T, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui on arrive à avoir des outils d'analyse qui nous permettent de savoir qui impacte réellement au niveau du digital, c'est grâce à lui. Si aujourd'hui on arrive à parler de Canva, à parler des autres outils qui nous permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus prontes en termes de réactivité dans nos, dans nos business développement, dans nos entreprises musicales. Quelque part, c'est grâce à lui. Donc, je vous demanderai de l'applaudir encore une fois et de dire, de de lui dire merci, de lui dire merci. Et je pense qu'avant qu'il ne sortira de la salle, vous autres, vous allez prendre la parole pour euh, voilà, lui rassurer que ces enseignements n'ont pas été faits dans le euh, vide. Ce que je retiens de Issa, parce que je ne vais pas revenir sur tout l'excellent travail qu'il a fait, sur les autres, et on prend vraiment l'exemple. On est, on est plutôt rassuré. Hein. Je pense que ça n'a pas été vain parce que ce qu'on a vu sur Giguinchor, ce qu'ils ont eu à faire là-bas, ce qu'ils ont eu à faire dans les autres sessions jusqu'à Dakar, je pense qu'on est satisfait, on est, on est, on est content de votre travail. Mais ce que je ressens, ce que je retiens de l'homme, moi sa générosité et son humilité très sincèrement c'est une personne exceptionnelle quoi quand tu les connais tu regrettes pas de les avoir connus donc euh, big frère et merci pour la suite on espère que on aura des suites euh, meilleures quoi chaque jour euh, de plus en plus exceptionnelles. Monsieur Issa Touré bonjour monsieur. Touré je je croyais que ay ponk club m'a nit la quoi hein? <laughs> Mais monsieur Touré, monsieur le premier jour, le premier jour que j'ai vu monsieur Touré, bu faites fekkoon woon téléphone bi nii ah ma xam ne moom laay xool kon dama koy romb. ci qui le jàng ak la mu ak ni mu mel indi partage bi ak yoyep ni. non sincèrement c'est un gars ba nga xam ne tuub cappa ji may def comme Nini. Je dama impressionné comme je ma leen le bi ñu premier jour formation des formateurs dafa wan benn affaire rek ma ne kon man ñu laar la lu ëpp fanweeri junni maanaam 30 personnes moom mii formé à travers le Sénégal l'Afrique et le monde bi. man personnellement je le fay euh, à mon nom personnel mais au nom de toute la coalition Je ñu la fay yal na fay donc ñi ko les gens qui sont fiers de Issa sont euh, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui lui disent merci. Nous digital Nous nous de donc espérons que nous aurons bien compris en tout cas moi je pense avoir compris c'est pour ça que je suis dans la coordination et dans la formation mais au nom de tous les formés aussi bien formateurs que Ziguinchor, que Rufisk que eux qui sont présents, chaque fois qu'on parle du formateur des formateurs, les gars ont toujours dit on veut le connaître. Donc je pense que dans ce projet-là, on va essayer de demander des fois les moyens contre les donne pour que tu puisses nous trouver au même au plus profond et très fond et au fin fond du Sénégal qu'on puisse le connaître. Euh, euh, c'est des gens qui m'ont vraiment facilité la tâche parce que da ngeen le Aduna, dara Je man dama jàpp ne xam-xam ci jëm boppam jarul sax monétiser monétiser parce que le savoir doit être universel pour tous. Moi, la première chose euh, aujourd'hui on dispose d'un outil qui est incroyable que nos grands-parents n'avaient pas c'est internet donc si tu passe pour 100 francs tu nga assez de connaissances pour le livre parce que tu peux télécharger plusieurs livres avec moins de 25 mégas de connexion avec seulement ton téléphone portable donc tu as accès à des ressources qui sont illimitées en matière de connaissances Tu bu une jëloon formation c'est l'acquisition de connaissances dans un domaine bien défini mën construction mën urbanisation musique mën impression infographie mën lune amul kenn ku la mën a am xam-xam bi nga war parce que da ngay dem YouTube tu vas voir énormément de tutoriels ci la fawee tubaab bi ci benn côté parce qu'ils sont extrêmement généreux dans la diffusion de la connaissance tey boo il est rare que tu vois des Sénégalais qui font des tutoriels alors que loo bëgg a xam même installer un ordinateur da ngay dem gis chinois wala Indiens indien wala benn tubaab mu partager la benn tutoriel gratuitement en prenant son temps monter benn vidéo ou ko pour yow nga mën ci am xam-xam donc du coup si base pour que la ñu collaborer la raison pour laquelle suñu collaboration neexoon c'était incroyable a vécu une semaine incroyable. Incroyable, c'était trop bon. Chaque jour, on était ravis. Nibisiwat. Parce qu'à chaque fois, on n'était pas sur la formation, on était sur de l'information. Quand on démarrait, je pense que Samba Diaité, vous l'avez vu avec lui, vous avez vu avec, les autres formateurs, de ñew xamal lenen du man ma am xam xam. Demay ñew rek ne len ah lu nga xamantene man ma la jitu won ci lamb bi na la won fan ngay salam mais mën nga mi sax gëna ay. Voyez un peu. Donc il y a eu beaucoup de choses que vous, vous avez vues avec lui parce que je sais que euh, nous, on a fait une formation de formateur, mais moi, j'étais principalement juste pour donner les guidelines. La formation, c'est vous qui l'avez faite. Vous vous rappelez avec tous les gars qui ont, qui ont été sur le tableau en train d'expliquer certaines choses. Nous donne un concept, c'est les gars eux-mêmes qui développaient ce concept-là. Donc on se rend compte que yin, ce que vous savez, si vous savez, c'est plus de 100 formateur formateurs parce que si tu dans un domaine où tu ko mais moi, pour au moins que tu puisses faire les bonnes recherches parce que affaire bi informations, information ça ne sert absolument à rien à cumuler un nombre infini d'informations ça ne sert à rien ce qui est important c'est d'avoir la méthodologie pour pouvoir exploiter les, les, les informations. Bon, à mes outils, on nous a appris la langue française. Ça nous permet d'exploiter du contenu venant d'ailleurs. On nous a appris à utiliser un ordinateur, ça nous, a, ça nous a appris à créer des visuels, on nous a appris autre chose, on nous a appris à, à, jouer, on nous a appris les, les, accords. Donc là maintenant, on peut composer des sons. Donc en fait, nous li principalement c'est pour vous donner les outils afin que vous puissiez mën ce et je suis très très très très très fier franchement parlant que cette que cette que cette formation là que que ce séminaire là ait eu à avoir lieu que ce soit ici, que ce soit à Rufus, que ce soit à Ziguinchor et que ça va se faire ailleurs. Parce que ce sont des gens qui sont extrêmement humbles. Tay ont dit, ah mais boy bi ni Mais ils ont été très religieux dans la manière dont on a fait la pédagogie. Franchement, j'ai eu à faire des formations par chance, j'ai eu à partir dans certains endroits, j'ai eu à être en relation avec beaucoup de gens, mais la, sororité que j'ai eue avec eux, franchement, je ne l'ai jamais eue ailleurs. Et Wallah, il y a non, je vous dis, si à travers le passé, on est parti jusqu'à Natitinkou au Bénin, on est parti jusqu'à Goma en RDC, des milliers de personnes. Franchement, la sororité que moi j'ai eue avec cette famille-là, je ne pense pas que je ne puisse l'avoir ailleurs. Parce que c'était incroyable. C'était incroyable. Et, je suis dans la même, euh, dans la même euh, euh, logique aussi de de de de de parce que c'est une famille en fait qui a été créée maintenant donc je suis extrêmement fier je suis très très très très très ému je ne voulais pas être long mais franchement je suis très content que vous soyez là et que nous nous on va participer au développement de ce pays là parce que développement d'un pays ce n'est pas de la pratique ou ce n'est pas ay wax mais du ay mais c'est de la pratique plutôt c'est vraiment des gens qui exécutent des choses je suis sûr que tey tu prends Lionel d'ici six mois nga au faire fi mais danaan la je suis à un autre niveau et fi may daanalee moom vous vous êtes des formés mais vous êtes aussi des formateurs dem nañ sax bu jël ben exemple né même li ni yow soko ko soxlawul am nga sa ben bàjjen bu nek buy def euh, voyage Dubaï wala buy jaay ay cuub bu ko soxla yow Voyons Donc il y a plein de personnes aussi qui vont compter sur vous et on, on espère vraiment qu'il y aura de la diffusion de connaissances. Xam-xam waruñu ko téye dañ ko war di yaatal war donc du coup exactement donc du coup vous savez des choses que le formateur ne savent pas les autres formateurs ne savent pas que moi je ne sais pas que madame Daba ou Iba euh, Grand Iba ne, savent pas c'est à vous maintenant de faire les retours Moi, j'ai beaucoup appris dans la formation que j'ai fait avec vous parce que chacun d'entre eux a eu plus d'une quinzaine une vingtaine d'années d'expérience dans son milieu donc on me suis dit que j'ai posé des questions et on a eu une très bonne pédagogie c'était vraiment une démarche très inclusive donc franchement je suis hyper fier d'être là et de voir si vous continuez à perpétuer ce travail là et que chaque jour j'espère un jour tey il ma invité Il y a Abdou mon ami de très longue date on a été ensemble à l'université on a vécu de bonnes choses ensemble c'est quelqu'un de très bien Nioufek, il donne une formation ailleurs dans la dans dans la région nord du Sénégal mais ailleurs à travers l'Afrique. voyez un peu et je sais que avec avec la comme Nico Grand Samba expliqué vous avez vous allez hériter de sa, de, sa, pédagogie et aussi maintenant le pouvoir, pouvoir l'appliquer aux autres. Donc franchement, je suis hyper fier, je suis très content. Malheureusement, j'aurais voulu être là même dans les autres jours, mais avec les emplois qui sont un peu chargés, je suis très désolé. Mais je suis fier de vous et yalla nous yalla développement Bonjour. Bonjour la famille, moi c'est Mohamed Kevin, euh, entrepreneur culturel et membre de l'association AMA. Euh, nous sommes euh, actuellement au troisième jour de notre formation, la formation sur la communication digitale initiée par Tringa, Tringa et la coalition des acteurs de la musique. Donc c'est une formation vraiment très intéressante euh, car elle nous permet de, pousser euh, davantage euh, nos connaissances en communication et pouvoir mieux se développer, que ce soit nous, nos produits, dans le domaine international. Donc tout ce que je peux dire, c'est vraiment merci aux initiateurs, merci aux partenaires pour l'initiation de cette formation car elle est très très très intéressante et elle nous permet, nous, euh, acteurs culturels, d'être mieux outillés pour pouvoir euh, mieux défendre notre domaine. Donc euh, voilà une fois de plus, merci à l'association et force pour les prochaines formations. Merci.